chères auditrices et auditeurs. C'est un plaisir encore une fois de plus ce matin de vous accompagner dans cette émission Le Niger sur Kalangou de ce vendredi 23 août 2023. Une émission co-animée par moi Rabia Mekano et Habiba Ahmed. La technique aujourd'hui assurée par Seni Isaka et l'édition et à l'édition nous avons Khadija Isaka. Bonjour Habiba, en forme ce matin ça va bien, Rabi, Dieu merci. Et toi, ça va de ton côté Alhamdulillah, Habiba, de mon côté, tout roule. Tranquille. Alors, qu'avons-nous au menu ce matin eh bien Habiba, ce matin, comme d'habitude, nous aurons un flash d'informations, la revue de la presse et nous irons à Tawa pour la rubrique Écho des régions et la musique. Et dans cette émission, Rabi, nous suivrons un magazine d'une enquête des transferts frauduleux d'élèves dans les établissements publics de Niamey. Une enquête réalisée par Adama Dawaki. Top, c'est parti! c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour, Rabia Mekano. Bonjour Habiba Ahmed. Bonjour Mokhtar. Quelles sont les nouvelles ce matin Eh bien, les nouvelles, c'est à travers le flash d'information de ce vendredi. En visite de travail à Niamey, une délégation conjointe Burkina-Mali et des ministres des Affaires étrangères des deux pays ont réaffirmé leur volonté de mener ensemble avec le Niger le combat contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent dans les trois pays. Ils l'ont fait savoir hier au terme d'une séance de travail ayant regroupé les trois délégations à Niamey au cours d'une visite de travail des délégations burkinabé et maliennes. Les trois pays ont convenu de s'accorder des facilités d'assistance mutuelle en matière de défense et de sécurité en cas d'agression ou d'attaque terroriste. L'ancien président de la République euh, du Niger, Mohamed Ousmane, a, dans un communiqué publié hier jeudi 24 août, salué l'élan massif euh, de sympathie et de soutien populaire en faveur du Niger, euh, tout en condamnant le blocus que vit le pays depuis plus de trois semaines. À cela, a-t-il poursuivi, s'ajoute la menace d'une intervention militaire que ni les droits ni la morale, encore moins le bon sens ne justifient. Au contraire, cette situation d'extrême tension est créée euh, du fait euh, des décisions précipitées de quelques dirigeants de la sous-région mis par l'ONC et quels intérêts a-t-il indiqué le premier ministre Ali, Ali Zen Lamine a reçu en audience hier une délégation algérienne euh, conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounès Magraman. À l'issue de l'audience, le diplomate algérien a indiqué à la presse qu'il est chargé par le président de la République d'Algérie pour venir discuter avec les hautes autorités du Niger autour de la situation actuelle. L'Algérie l'Algérie et le Niger ont des relations de voisinage très fortes, des relations historiques, des relations d'amitié. C'est pour cela que nous sommes venus écouter et essayer de comprendre et dire quelle est notre position à propos de la situation qui prévaut au Niger, a-t-il poursuivi. Et c'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 25 août 2023. Merci Mortar. À bientôt, comme annoncé à l'entame de cette édition nous suivrons dans quelques instants le magazine d'une enquête sur les transferts frauduleux d'élèves dans les établissements publics de Niamey, une enquête réalisée par Adama Dawaki. Mais avant, Rabi, nous allons rendre hommage au sport roi du Niger, la lutte traditionnelle avec l'une des voix les plus reconnues des arènes d'élite. Cette composition des faits Sogolo pour le plaisir des fans de ces sports qui nous suivent sur cette émission. arziki rabon Allah ne. Ka tambayi da takobi ka daɗe na daɗe da ba takobi. To Allah Ubangiji. Sogolo, chanteur à la cour de Dogerawa dans le département de Malbaza, région de Tawa, est surtout connu pour être l'incontestable maître des arènes. En effet, ce grand homme a régné pendant plus d'une quarantaine d'années sur les arènes avec ses tambourins et sa puissante voix à l'occasion des éditions des championnats de lutte traditionnelle. Il est décédé le 18 janvier 2011 à Galmi des suites de maladies. Pour beaucoup, la lutte traditionnelle nigérienne n'aurait pas eu les charmes et l'attrait qu'elle a eu sans Sogolo. Il était le véritable animateur et le maître de cérémonie des arènes qu'il enflammait en chantant purement. Il avait le don de susciter l'envie de combattre chez les terres. Il connaissait la force et la faiblesse de tous les terres. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, En effet, Habiba, au Niger, la question du transfert des élèves d'un établissement public à un autre est devenue du commerce pour certains chefs d'établissement. En effet, des élèves renvoyés des écoles publiques ou des élèves refusés dans les établissements privés pour des comportements insupportables ont la possibilité de continuer dans d'autres écoles publiques moyennant une somme fixée par les chefs d'établissement. En plus de cela, le transfert normal d'un élève d'une école à un autre établissement est souvent compliqué pour les parents de l'élève ces dernières années. Selon certains parents, pour avoir le transfert, certains chefs d'établissement demandent une somme forfaitaire de 30 000 francs, voire 50 000 francs CFA par enfant et selon les niveaux. Comme dans tout système éducatif, les élèves sont régulièrement évalués et ceux qui ont de mauvais résultats redoublent ou sont exclus de l'école. Cependant, il existe une pratique frauduleuse qui permet aux élèves renvoyés pour insuffisance de notes de réintégrer une autre école publique moyennant une somme forfaitaire payée par leurs parents. Plusieurs acteurs de l'éducation sont impliqués dans cette pratique corruptive comme nous allons le voir dans cette enquête. Le transfert frauduleux est une pratique courante dans certains établissements publics de Niamey. En 2017, par exemple, au niveau du complexe d'enseignement secondaire 16 Himayankori, ancien chef 3 situé dans la commune 3 de Niamey, 519 cas de faux transferts ont été découverts par l'administration, relève Youssef Seriba, journaliste du journal en ligne Les Échos du Niger, dans un article publié le 22 avril 2022. Quatre ans après, courant l'année scolaire 2021-2022, la même pratique refait surface avec cette fois-ci un nombre plus élevé de cas, cette fois-ci à l'échelle de la capitale Niamey. Maham Boukar Kolomi, directeur régional de l'éducation de Niamey, déclare avoir détecté plus de 5000 cas de transferts frauduleux dans plusieurs établissements en 2021-22, pendant l'année scolaire. Nous avons tenté de vérifier au fond ce qui se passe dans les écoles et on a découvert un certain nombre d'irrégularités, notamment euh, les inscriptions parallèles, euh, les fausses inscriptions vraiment, euh, qui étaient assez importantes. On joue sur la sensibilité ou la situation financière du parent il ne peut pas. Un enfant, quand par exemple il est exclu, au lieu de l'inscrire dans un établissement privé qui coûte 190 000, 100 000, on lui prend 20 000, 25 000, et puis bon, ça fait l'affaire de tout le monde. Soumaïl Mamoun Abdurrachid, le chargé de presse à la section collège-lycée de Niamey, déclare que cet acte frauduleux est une réalité dans les écoles publiques de Niamey. Les élèves, une fois inscrits, cherchent des transferts pour aller vers les privés. Mais une fois au privé, L'élève peut faire un an, deux ans, après il veut encore vouloir se retourner vers le public. Oui, présentement il y a ça. Des camarades qui ont été exclus définitivement l'année prochaine ou l'année prochaine, on les revoit sur les mêmes bancs de l'école publique nigérienne encore. Quelque chose s'est passé dans le noir. Alors que ici dans les écoles publiques, il y a le flux massif des élèves, il y a le manque des classes, des tables bancs. Selon les investigations menées auprès de certains acteurs de l'éducation, les chefs d'établissement sont pointés du doigt dans cette pratique corruptive. Des cadres de l'éducation et anciens syndicalistes ont confié que les membres du comité de gestion des établissements scolaires COGES, dont des parents d'élèves sont les intermédiaires, c'est-à-dire les canaux par lesquels passent ces fraudes. Yusuf Arzika, ancien secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger SNEN, estime que ce système défaillant trouve son origine dans la mauvaise gouvernance du système éducatif. C'était dans les années 2000-2023, cette mauvaise pratique a pris corps et finalement les anomalies ont été normalisées. Au début, c'est parce que l'État n'avait pas les moyens de permettre aux établissements de fonctionner qu'on a fermé les yeux sur cette fraude-là. Au bas mot, ils prennent 50 000 par élève. Et quand ils prennent 50 000 par élève et qu'on se retrouve souvent avec des centaines d'élèves, avec près d'un millier d'élèves, il faut voir ce que ça fait. 50 000 fois 1000, ça fait 50 millions. Et tout ça, c'est un individu qui amasse ça. À peine s'il fait les besoins de l'établissement. Aussi, Issouf Arzga pointe du doigt la politisation de l'administration de l'éducation. La plupart de ces proviseurs-là sont des proviseurs, donc ici des partis politiques au pouvoir qui pensent que personne ne peut les toucher. Si tu les touches, en fait, euh, c'est comme un sacrilège. Tu as profané la ligne du parti. Les syndicalistes ont commencé à festiger ça et les professeurs qui étaient exploités parce que ces élèves sont enseignés alors que les professeurs ne sont pas payés pour ça. Mais le proviseur lui, il est payé, il est même surpayé et il, siège dans les, écoles de l'État, sur les tables de l'État et utilise les enseignants de l'État. La chaîne des rabatteurs est composée de plusieurs acteurs de l'éducation, déclare Youssef Siriba, journaliste du journal en ligne Les Échos du Niger. Révélation découverte lors d'une enquête qu'il a menée sur la corruption en milieu scolaire. C'était en 2017 au niveau du complexe d'enseignement secondaire CES Himayankuri, ancien CG3 de Niamey. C'était dans le cadre d'une enquête euh, que j'ai menée sur euh, la corruption, notamment la corruption qui concerne euh, la gestion des comités de gestion des établissements scolaires. Donc les COGES, c'est un peu les cotisations que les parents euh, effectuent chaque année pour accompagner le fonctionnement des établissements scolaires. J'ai découvert aussi que les responsables de ces COGES-là s'adonnent à d'autres pratiques corruptives, qui est notamment le recrutement parallèle. C'est des parents d'élèves, parce que ce sont ces parents d'élèves-là qui siègent au niveau de ces COGES-là. Donc ce sont ces parents d'élèves-là, très malheureusement, qui, au lieu d'œuvrer pour que les établissements scolaires, le CG3 en question, puissent être euh, débarrassés de tous ces problèmes-là qui gangrènent la qualité de la formation, le niveau des élèves, ça donne plutôt à ces pratiques euh, corruptives-là. Nous reviendrons sur la suite de ce magazine, mais là, passons à présent à la revue de la presse qui sera présentée par Nafissa Adamou Sirifou. Bonjour Nafissa. Bonjour Abi, bonjour Habiba. Bonjour Nafissa. Nafissa, la durée de la transition politique sera déterminée au cours d'un dialogue national inclusif et n'excédera pas trois ans, titre l'agence nigérienne de presse. En effet, Rabi, l'annonce a été faite par le chef de l'État nigérien, le général de brigade Abdurrahman Chani, le samedi 19 août 2023, au cours d'une adresse à la nation. Selon l'agence nigérienne de presse, le chef de l'État et tous les membres du CNSP conscients de la nécessité de structurer le nouvel élan de patrice patriotisme qui renaît au Niger engage alors toutes les forces vives de la nation à travers un dialogue national inclusif dont l'objectif ultime sera de consulter toutes les composantes du peuple nigérien sur les voies les meilleures permettant de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle sur des piliers profondément ancrés dans nos valeurs traditionnelles et républicaines. Ainsi, un délai de 30 jours sera donné à ces assises nationales selon le président Abdrahman Chani pour formuler des propositions concrètes devront conduire à la définition des principes fondamentaux qui doivent régir la transition, la période de la transition, définir les priorités nationales durant cette période et rappeler aussi les valeurs fondamentales qui doivent soutenir cette refondation de la République. Troubles à la cohésion sociale au Niger. Les mises en garde du parquet général contre les fauteurs nous informe Niger Inter. Dans un point de presse le 21 août, le procureur général près de la cour d'appel de Niamey, Mazumaru a mis en garde les fauteurs de troubles qui s'exposent à des poursuites judiciaires. En effet, suite aux événements du 26 juillet dernier, de nombreuses fausses publications sont relayées via les réseaux sociaux et les médias, ce qui, selon le procureur, concourt à compromettre la quiétude, la paix et la stabilité sociale dans le pays. On ne saurait tolérer cette forme d'expression des libertés en ce qu'elle véhicule le virus de la division et d'agression de notre pays, a relevé le procureur général près de la Cour d'appel de Niamey, Mazou Morou. Le mercredi 23 août, également dans un second point de presse, le procureur a, rappelé, a apporté, autant pour moi, des précisions sur le récent communiqué de presse relatif au foisonnement des publications de tout genre sur la toile. Mazou a rappelé, je cite, que depuis quelque temps, on assiste à une situation inhabituelle. Ce qui se passe est extrêmement dangereux pour la stabilité, la paix, pour l'avenir même du pays, des comportements qui constituent des actions pénales, ajoute-t-il. Le parquet a donc décidé de traquer toutes ces personnes et que tous les moyens existent pour qu'elles répondent de leurs actes devant les tribunaux dans le strict respect de la loi, a-t-il conclu. L'actualité, c'est aussi ce point de presse du ministre du Commerce et de l'Industrie qui indique, je cite, Nous avons mis en place des structures de contrôle et nous demandons aux populations de signaler les, irrégularités par rapport au prix, rapporte le quotidien gouvernemental le Sahel. Et eh oui, le 21 août, après une rencontre d'échange avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, les opérateurs économiques et les syndicats de commerçants, Cédoissement a soulevé les questions relatives à l'acheminement des marchandises et la mise au point de mécanismes de fixation des prix de de première nécessité, de suivi et du contrôle de ces derniers. La question de la diversification des corridors et la diversification routière a été également évoquée, souligne le Sahel. De ce fait, les opérateurs économiques ont souhaité qu'on diversifie les corridors et aussi sécuriser les routes par lesquelles le Niger peut s'appuyer effectivement pour faire entrer les marchandises. Ils ont également exprimé le besoin de mettre en place un mécanisme spécial d'échange financier avec euh, d'autres pays pour échanger ou acheter des produits. Les commerçants ont souligné aussi qu'ils disposent des stocks de marchandises en entrepôt qu'ils souhaitent exporter, mais selon le ministre, compte tenu de la situation, ils souhaiteraient que ces commerçants ramènent leurs produits pour les vendre sur le territoire national et que des structures de contrôle soient mises en place aux populations alors de signaler les irrégularités afin que des mesures soient immédiatement prises, conclut le Sahel. C'est la fin de cette revue de presse. Merci, beaucoup, bien, À, à bientôt. Place à présent à la deuxième partie de notre magazine qui aborde la question du transfert des élèves d'un établissement public à un autre. La liste des intermédiaires de cette pratique corruptive est composée en plus des parents membres des COGES, d'autres acteurs de la chaîne du système éducatif. Youssouf Seriba. Vous avez les membres du comité exécutif de l'établissement aussi qui ont une influence dans ces affaires. Souvent, ils ont des amis aussi qu'ils placent dans ces établissements scolaires. Donc, des amis qui ont été renvoyés à l'issue de l'année scolaire, ils usent de leur position d'influence au niveau de l'établissement à travers les débrayages pour euh, perturber euh, le fonctionnement de l'année scolaire. J'ai même parlé, je crois, d'un cas qui concerne le secrétaire général qui a essayé d'engager un bras de fer avec euh, la par rapport à ces genres de questions-là. Vous avez des responsables dans le corps professoral qui placent des enfants, des amis, des parents. Vous avez l'administration, les surveillants. Donc c'est un problème beaucoup plus profond. Et on m'a même cité par exemple des responsables de direction régionale de l'éducation qui font pression sur euh, les établissements scolaires aussi pour qu'ils prennent des jeunes. Conséquence de ces recrutements parallèles, les classes sont en surnombre avec des effectifs pouvant atteindre 120 à 130 élèves. Selon plusieurs témoignages, les élèves exclus et réintégrés en contrepartie des sommes versées aux responsables des établissements scolaires sont ceux-là qui sèment des troubles dans les écoles. Au demeurant, cette pratique frauduleuse et corruptive impacte négativement la qualité de l'éducation. Al-Mustafa Moussa, président ASSO EPT Niger. Le faux transfert, première conséquence, ça développe la corruption dans le système éducatif. Outre le phénomène de, de corruption, quand un redoublant, un exclu vient dans un nouveau établissement, vous allez constater que les mêmes raisons pour lesquelles il a été exclu, c'était les raisons d'indiscipline, aujourd'hui ces élèves, ils se retrouvent dans un nouveau établissement, ils vont encore développer l'indiscipline et les violences vont naître encore dans ces nouveaux établissements qui les accueillent. Et tout ça va avoir effectivement les conséquences sur la qualité de l'éducation. Ce transfert frauduleux est considéré comme une concurrence déloyale aux écoles privées, déclare Nasser Al-Aji Sanoussi, secrétaire général de l'Association des promoteurs des écoles privées du Niger. C'est une concurrence déloyale parce que le public n'est pas autorisé à recruter des élèves qui sont déjà inscrits au public. Et en plus, ils prennent de l'argent. Alors que l'école publique est exclusivement gratuite. Je suppose que les gens vont parler de projet. Non, le projet, c'est un moyen de bon fonctionnement, d'accompagnement de ce que fait l'État, comme ce que nous faisons au privé. Et donc, celui qui veut faire du privé, il quitte le public, il vient, il fait comme nous. Mais tu ne peux pas aller te cacher au public et démarcher les élèves du privé. Ça, c'est une vraie concurrence des Je dois vous dire qu'à plusieurs reprises, le conseil a été fait. Par exemple, je ferai un rappel. La rentrée de, l'année passée, le ministre en personne, à sa réunion de la rentrée, a annoncé qu'ils ont identifié plus de 1000 élèves dans trois CLS de Niamey visités. 1000 élèves qui ont été recrutés dans ces écoles. Les auteurs de ces transferts frauduleux ont été sanctionnés. D'autres gardent toujours prison selon mohammed Boukar Kolomi, directeur régional de l'éducation. Aussi, il déclare que la situation est sous contrôle, même si par ailleurs des personnes récidivistes continuent de le faire en cachette. Nous avons mis en place une stratégie pour essayer de contrôler et, de suivre euh, cet aspect des choses dans nos établissements. Donc, euh, au moment où je vous parle, je ne dirais pas que c'est totalement éradiqué, mais c'est vraiment sous contrôle et on prête attention. À Niamey, on a eu euh, des agents de l'État qu'on a envoyés à la police l'année dernière. Et on a aussi des cas où ce ne sont pas des agents de l'État, c'est juste des citoyens comme ça qui rentrent dans la danse pour se faire facilement de l'argent. On a donné euh, carte blanche aux inspecteurs pour qu'ils contrôlent n'importe quel établissement et de le faire à tout moment pour essayer de bloquer ce type d'irrégularité qui ne servent ni les enfants, encore moins le système. Et je vous dis, pendant cette année 2022-2023, je n'ai pas d'écho, en tout cas, où il y a ce type de comportement de façon récurrente. On peut avoir quelques cas, il y en a, mais ce n'est plus à une échelle euh, assez importante. Il faut reconnaître que la tentation est grande de perpétuer cette pratique frauduleuse qui rapporte d'énormes sommes d'argent à ses auteurs, à considérer que chaque élève irrégulièrement inscrits payent la somme de 50 000 francs CFA. Les 519 enfants détectés en 2017 au CES en ancien juge 3 du Niamey, auront versé la rondelette somme de 25 950 000 francs CFA. Une question vient à l'esprit. Les sommes colossales encaissées par les chefs d'établissement sont-elles exclusivement gardées par ces derniers ou partagées avec d'autres responsables du secteur de l'éducation? Merci Adama Dawaki pour cette édifiante enquête, Habiba. Une petite pause avant d'attaquer notre rubrique hebdomadaire qui nous amène à Tessawa dans la région de Maradi. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Créé en 2012, le groupement féminin Hosa'a est composé de 40 femmes. Par manque de soutien financier, certaines femmes ont abandonné à mi-chemin. Actuellement, les 12 femmes qui comptent le groupement s'activent dans la transformation agroalimentaire. Cependant, elles font face au problème de matériel pour le séchage de la farine de maïs. Pour plus de détails, suivons Madame Aya Zulahatou, membre du groupement féminin Houssa'a. Elle est au micro de Hawa Ousmane. kina iya gaya muna tun yaushe ne aka girka shi wannan gurfamankin to wannan gurfaman a mun girka shi tun shekara ta goma sha biyu. kuka girka shi ku nawa ne matan da ku fara to a lokacin nan da muka fara matan nan dai mun kwarare arba'in tahiya ta yi tahiya kin san duk abin da za a ci a huddo kuɗi daga aljihu a bada mutane ba su iya ganewa da muka girka su mun yi wani voice dated a kai mu wajen doso muka gano experience kala-kala da mata suke ta yadda gurfaman ɗinsu na zo din na basu bayani na cito ga shi yadda ya kamata mi mata in muna sa harkokin mu su ci gaba sai mun ruka cotization to wannan cotization ita ta fara kawo matsala ga gurfaman ɗin mata suka rika janyewa suka rika janyewa yanzu dai a takaice mun goma sha shida muke cikin wannan gurfaman wanda dai muka jajarce fiye da shekara goma dai muna tare. to a cikin gurfaman ki aikin nan wani irin ayyuka ne kuke yi to a kurfaman ɗinmu na husa'a muna ayyuka kala-kala muna e, commercialization na kayan gona muna kiwo na ƙananan dabbobi awaki hakan ga muna kuma transformation sarrafa na abincin gona to su wannan kayan duka da kuka haɗi abu ne wanda kuɗi ne ake sawa a sayo su a juya. su gina kuke yi kaman sati-sati ne wata-wata ne ya kuke ta yi cotization kin kuma kowace mace nawa ne take badawa to cotization din da muke yi sati bibi ne muke da can da gurfaman din bai kari ba mu kadan rika sa dala 100 duk sati Me yanzu daga ba ma dala 30 30 ne kowace mace take zuba tunda mun samu tallafi ba kaɗan ba masha Allah mun samu ga mercikwar ta bamu wajen nafsan mil ta bamu development social yau wajen jika 900 ta bamu eh, nan kuma development social su ma suna bamu bashi in muka juya muka juya kuma in lokacin maido yi mu maido masha Allah dai muna samun partenar dai wanda dai suke dafa mu wasu su dafa mu da kuɗi wasu su dafa mu da ramce wasu kuma su dafa mu da horo tunda wannan horo sosai shi yasa dai har muka kaiwar haka To kayan da kuke sarrafawa ina kuke kai su kuna dawa Kayan da muke sarrafawa mahiwanci a nan dai cikin ƙasa nijar dai muke saida su nan ta sa muna saida muna kaiwa maraɗi arlit muna kaiwa niyami ma duka dai muna kaiwa yan paper 2 dai o nijar dai muna kaiwa ba mu dai fara hidda su waje ba to yanzu kaman wurin naku shago ne kuka yi kuke zuba kayan ko kuma ya ne kuke kuna tallata su to ba mu samu dai ƙarfin yin shago ba a nan dai gidan president a nan ne ake yin aikin kuma a nan ne ake aji kayan da aka sarrafa muna ta nema dai ga masu hannu da shuni mu samu a dawa mu tunda meri ta ba Mori. Eh, ba mu da dai karhin yin aikin ginin ko kuma yin shaguna haka inda za mu saka amma muna neman wannan tallafi sosai tunda aikin namu yana son wuri gyararre tsaftatacce ko ba gaskiya ba harka gari sai da harka tsafta ba ya san harka da ƙasa tunda yanzu shine mahi yawa wanda muka ba karhi da man gujiya duka muna yi da tagadiye da kayan yaji duka muna yi muna sai da da su tattasai amma shi gari da yake shi ne sai an shanya shi kuma shanya in ya zamanto ƙasa ne kin ga ai akwai matsala amma dai muna son dai a tallafa mu da tabuloli tunda ko kin ga in kura in ta taho in ba makari akwai matsala su wane ne ke sayan kayan ku eh ka mu duka ba wanda ba ya si yan gari suna si baki ma suna si arlit duka suna komande mu aika musu akwai a arlit din ma akwai wanda suke sayan su kai su saida kuma akwai wanda ci ne suke yi me haka nan don maraɗi ba a ta. yanzu kamar kina da wani jawabi zuwa ga sauran mata su suke cin gurfama to wanda yan gurfaman namu jawabin dai da ke gare ni mu dai ƙara sa himma bisa kan ga aiki namu komi sai an ci wuya daɗi yake zuwa insha Allah in dai muka sa kai muka jajirce muka riƙe da wanga aiki namu eh ƙaruwa shi ba ya kaɗan ba karuwa ce gare mu karuwa ce ga al'umma ga baki daya tunda mu ne za mu aikata abin mu a nan cikin gida Nijar kuma mu ci da yan Nijar kuma har yan kasashen waje a hankali muna so wanga aiki namu mu ci gaba da shi har shi kasashen waje duk dai masara ce kenan muna kira ga yan mu nan yan kasa su sai abu na cikin su duk dai iya duka dade ce Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou et la capitale de l'Ader à l'honneur ce vendredi. On se détend avec les titres d'Ole Dangana de Salam, les tandistes. Salam, une légende vivante de la musique nigérienne. Né en 1966 à Tawa, Mahmoudou Abdusalam est un artiste, auteur, compositeur, arrangeur et producteur. Il a fait ses études primaires et secondaires pour ensuite poursuivre à l'université de Niamey au département d'anglais. Salam s'est ensuite rendu en Côte d'Ivoire pour des études en musique à l'école des beaux-arts. En 1999, à la demande du Centre des œuvres universitaires de Niamey, l'artiste est revenu à Niamey pour encadrer les étudiants dans le domaine musical. Mahmoud Abdesalam a encadré aussi plusieurs artistes locaux de renommée et continue à servir la culture nigérienne à travers des séances de formation aux plus jeunes. masoyata shi ba al'amari idan aka ce soyayya to ala sai an gaba da hakuri sai kin gani ki kamar ba ki gani ba kuma ki ji ki kamar ba ki shi ba a haka soyayyar za ta kyau C'était le titre Dole Dangana de Mamoudou Abdou Salam. restant toujours à Tawa. Dans le département de Birninkoni vient de débuter la réhabilitation des routes par une entreprise chargée des travaux financés par le gouvernement. Avec le lancement de ces travaux en cette période des saisons des pluies, la population riveraine se retrouve confrontée aux inondations et autres inconforts. Un reportage signé Asuman Moussa arzaka. À les travaux de réhabilitation des routes dans la ville ont débuté, financés par le gouvernement nigérien. Cette initiative est attendue depuis longtemps par les habitants de la localité. Cependant, un nouveau problème préoccupant pour la population locale vient de survenir. Ce sont les inondations dans certaines maisons qui sont aux alentours des chantiers de réhabilitation. Les résidents des quartiers concernés alertent les authorities. Munan mazamna sabon garin nan ne mun kai aiki mun kasa an kai mutane sun kai fanta din ruwan da za su wucewa su jika saboda sun shiga gidajen mutane da yawa. Jiya don ma kayan mata su lalace. Kenan kaga dole mu kama abu ne na jama'a to shi muke ta kenan a gyara mana wajen ruwa da su zo da zo ga hanyar su da suke ta su ta zuwa inda za su. To lalle abin da zan cewa cikin wanga aiki mu dai mun gode wanga aiki alhamdulillah ana muna shi kuma cikin jin daɗi da rayuwa amma abin da an matsalar mu gaskiya matsalar ruwa. saboda ruwan in sun ka to cikin gidajen mu na sun ka galgal saboda hanyar ta zama hayi bisa ga gidaje kenan kaga ruwa babu da za a yi ita shi babban matsala gare sont en train d'être par les autorités municipales pour solutionner ces problèmes, déclare abdulnasser Nasser Abdullahi, vice-maire de la commune urbaine de birnin kwanni shi magajin gari da kai ne ya zo da aka yi waɗancan ruwan ya zagaya tare da su ya gwada musu duka wurare inda aka samu matsaloli to da gidajen mutane mun sani saboda wannan tsakuwar da ake sa za ka iske ta ɗan yi sama kaga ruwa cikin gidajen mutane ba su samu su hito to ya je da su duk inda aka samu waɗannan matsaloli an zagaya mun gani mun gwada musu kenan suna nan yanzu suna ɗaukar matakai waɗanda ya kamata kuma abinda nake so ma mutane su gane kamar sa'a muka yi menene sa'a shine wannan aikin ya zo cikin damana zon da ya cikin damana wannan shi zai ba mu damar cewa duka inda matsaloli suke inda yake kwantar da ruwa za mu yi amfani da wannan mu ga cewa mun cilasta ma shi wannan kamfani an samu an gyara amma da ka ga wanga aikin na ba cikin damana bane ba za a zo a yi Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, accueillons à présent Soumana Amadou qui nous vient avec sa page sport. Soumana, bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Soumana. Bonjour. Parlons du championnat national de handball du Niger initialement prévu dans ces mois d'août. Où en sommes-nous Eh oui, normalement, le championnat national euh, devrait se dérouler au début de ce mois d'août à Niamey. Compte tenu du contexte actuel du pays, la fédération a décidé de reporter la compétition. Néanmoins, en prélude à ce championnat national, la Ligue régionale de Niamey, qui avait déjà organisé la phase aller au niveau régional, a prévu la phase retour dans quelques jours. C'est là pour la mise à niveau de ces joueurs. Alio Mamar est le président de la Ligue régionale handball de Niamey donne plus de détails. La fédération a prévu d'organiser ce championnat en août. Compte tenu de la situation du pays, on a dû reporter ça, mais très bientôt, en septembre, la fédération va organiser euh, ce, championnat national. Quant à nous, nous avons fait la phase aller de ce championnat régional au niveau de Miami. Donc, euh, pour la phase retour, c'était prévu une semaine ou deux semaines avant le championnat national. Donc, toujours compte tenu de certains paramètres, on n'a pas pu euh, réaliser ce championnat. Mais, là, nous comptons euh, organiser ce championnat retour dans la première semaine du mois de septembre, avant le championnat national. Au niveau de la région de Niamey, nous avons quatre clubs FDS. Nous avons l'AS Gendarmerie, l'AS Police, la GNN, plus euh, l'AS FAN. On a trois clubs civils, l'AS Laban, l'AS euh, Stade et l'AS Université. Nous avons trois équipes féminines. C'est le club euh, de la GNN qui a une équipe féminine, l'AS là, c'est la aussi qui a une équipe féminine. Le message que je voudrais passer à l'endroit de toutes les disciplines sportives de toutes les fédérations, de toutes les, les, ligues, qu'elles reprennent les activités, peu importe l'embargo, ça ne doit pas être un frein pour arrêter toutes les activités sportives. Eh bien, donc, euh, mesdames, c'est tout pour aujourd'hui, la page sport. Merci bien, Soumana. Bon début de week-end à toi. Merci. Habiba, place à présent au portrait du jour. Oui, Rabi, les portraits d'aujourd'hui nous amènent à la rencontre de Sefia Aminami, une artiste chanteuse nigérienne née à Khartoum d'un père nigérien et d'une mère soudanaise. Son portrait nous est proposé par Farid Bourema. Cette voix est celle de l'actrice chanteuse Safiat. Reconnaissable par sa signature vocale unique et captivante, Safiat transporte ses fans à travers ses tubes cette passion pour la musique, elle l'a développée depuis sa tendre enfance. Depuis que j'avais 4 ans, à l'époque, j'écoutais de la musique hindoue et je chantais ça. D'ailleurs, c'est l'une des anecdotes que je raconte le plus souvent parce que ma mère me disait Ah, mais toi, je sens que tu vas être chanteuse. Et je lui dis Mais non, mais non, je serai médecin. Eh, L'amour, la cohésion sociale, le panafricanisme sont des thèmes qu'elle touche dans ses chansons. Plus que de la musique, c'est aujourd'hui son métier, explique la chanteuse. La musique représente mon métier. Aujourd'hui, je, mange la musique, euh, euh, tout ce que je fais, euh, je le fais via ma musique. Des thèmes comme l'amour, la paix, la tolérance, la sensibilisation. Euh, la dénonciation des problèmes euh, socio-culturels que l'on peut rencontrer ici au Niger, euh, le panafricanisme. je suis une très grande fervente du panafricanisme aussi. C'était lors de ses études au Maroc dans la ville de Rabat qu'elle se lança dans la musique où elle intègre un groupe musical latino-américain. Parallèlement, elle intègre la chorale Polyphonia de Rabat et se met à l'apprentissage de la guitare. Au retour au pays, elle intègre le groupe Kaidangaskia avant de se lancer dans une carrière solo. Je, trouve que j'ai encore beaucoup à donner, c'est pour ça que bon, je me suis lancée dans une carrière solo. Le, premier défi, je pense que c'est la faiblesse du marché euh, nigérien de l'industrie musicale. Euh, les gens aiment bien la musique, mais les gens ne dépensent pas dans la musique. Déjà, quand, quand tu es une femme, c'est très mal vu que tu fasses de la musique, encore moins de la musique urbaine. Et là, je pense que c'est parce que cet environnement-là est assez, comment on appelle ça, il est assez difficile en fait justement pour les femmes. Euh, j'ai des featuring que j'ai fait, notamment avec euh, récemment avec un artiste euh, camerounais. Je suis encore en train de travailler avec un artiste qui s'appelle John Souley, qui est un Nigérien qui vit à Amsterdam. Donc voilà, pour le moment, ça c'est à court terme. Merci Farid, merci Safiat pour ce portrait rythmé. Restons toujours à Tawa en musique cette fois-ci avec du rap à l'eau de rose. Toi et moi de la formation New Flow d'Ottawa en collaboration avec Ismo One. Love des I miss you, come from me, baby. Love viens vers moi, tu m'as manqué. Ah, don Allah zo gani shosho ye tsaya kishi mai sona ga sako wanda zan baki zani baki kici zan bashi abin kauna ta habibiya ta ta yan magana kicewa ranar wanka ba a bi. cibi a dalilin ki babu abun da ba zan iya yi zuciya tana baki sai dai kirke na amana so ne da ke wallahi babu fashi barewa kyakkyawa hasken kina kashe ni rayuwa ta ke na zaɓa nisa ni tun da ke elgata ce so masoya ta me mu tauna tun na kanki tushi na sai ya kwashi sanyi ko a duhu ne na kanki sani bambanta ki duba ni da ke kamar muna zuwa guda tsari na da naki ayyana zuwa guda ni in baki ba ai sai ya ya duwan mu ni da ke na dace har ina yi muna shi yasa na ce ni da ke zani lova karki kisa kita a zuciya zo mai lova soyaya ku so shuna banda ce amana soyaya reke buto jebe So ya ya, o so shuna banda che amana So ya soyaya reke buto je du abandone ke ce a raina mai zona kauna kita shiga zuciyata ina ganki ina mona ni soyayya say ana haƙuri da shuna ohiye mai sona sam duniya banga kamar ki ba ohiye tunani na ina so in ganki gidana ohiye sorry baby dance for me domin isi na baki zuciyata in kwai sai rike amana kar ki dai ki bani C'est toi que j'ai vu J'ai vu te marié. Pour toi j'ai chanté Parce que tu es ma bien-aimée oh, oh, oh, Habiba, c'est plutôt le titre Soyeya et non Toi et moi. Oui, ce groupe est composé de trois membres, aborde généralement des thématiques qui touchent à la vie des jeunes, l'amour, les problèmes et les aspirations des jeunes, avec des titres comme Non à la guerre, Soyeya, Tete Teti. Un groupe de rap nigérien à suivre de très près. Voilà, c'était Nuflo. Là, c'est l'heure pour nous de passer au loti de l'émission Le Niger sur Kalangu. Aujourd'hui, nos consoeurs nous parlent des risques d'envoyer vos enfants faire des courses à votre place. Et quand bien même vous le faites, prêtez attention au temps qu'ils passent dehors.

a shiga uku mi zan ce ma babanta inda na sani wallahi da ban aikin ta kasuwa da ni da kaina zan je in so kayan miya na tun da sai har yanzu Jamila bata dawo ba Fanta Fanta me ya same ki kike magana ke kadai haka ni na azuma da wani kike haba kawata Jamila ce na aika kasuwa tun da safe har yanzu bata dawo ba me me nake shirin ji kuma kike zamna nan kina kuka Na san dai kin yi kiran babanta ko? Haba Laraba dan Allah ruwa mini asiri. In faɗa muwa baban nata. Kina so aure na zo ƙarshe in na kuskura na gaya mishi da na aiki yan shi kasuwa ba tare da ya sani ba wallahi sai ya halaka ni sai da ya ce mini kan aiki ƴaƴan shi su kaɗai kasuwa. Fanta ranar wanka ba a ɓoye cibi. Wannan wani al'amari ne babba. Yaya za a yi ba kya sanar da ubansu ba? To Allah ya tsare dai in wani abu ya same ta fa. Ha? Mi zaki? Zaki zamna kuma kina nan kina ɓoye mishi? Kin san da abun bai ɓoyuwa. ke kiraye kin shigo kafin nan ki duba kuma in akwai abokanta wa'anda kika sani na san kina da lambobinsu eh da Allah ɗauki wayata ki duba ki gani lambobin da ke fara da kawaye na rubuta sunayen ƙawayenta da Allah ki duba mini ni kuma zan je waje in duba an gani in ba ta nan tahi. To, na duba in ba tana gidajen ɗaya daga cikinsu ba. kawata wallahi ba ta nan. Na ma tambayi kawayenta na cikin anguwa sun ce tun da sayar suka ganinta ta ce za ta je wata abu ke ta taraka ta kasuwa. To, madalla ai wannan ma wani sau ne to baki san wata abikiyar taba da take cikin wannan anguwar na san guda tana nan cikin waccan kwana ta uku sunan ta lamisi mutai can koyar da iske ta to mutahi assalamu alaikum assalamu alaikum hm, kin ganta ke ko da kika ji muryata ne kika hito haka a guje ko menene wannan abun tun da sahi da aka aike ki biki dawo gida ba kuma biki kiran mutane ba ana ta neman ki kin ga tashin hankalin da kika kawo ma mutane ko tana nan uwarki baiwa Allah ha batta ma jin daɗin jikinta duk ta ta rikice kin san sarai tana da hawan jini in ya tashi fa haba dan Allah tantiki hakuri wallahi ba da gangan yin shi ba kin san tudduwar na ƙare sayayya ta to abikiya ta ce ba ta samu wannan uniform kin ba shi ne samu kai ta bin kasuwa kasuwa sai daga baya da kyal muka samu a kasuwar tala dan Allah tanti ku wallahi tanti ban tuna da haka nan bane bai zo min cikin kai ba da ya kamata ma in kira ku in shaida muku to da hakan ya kamata ma ki daga gaban nan in kika tsinci kanki cikin irin wannan yanayi ya kamata nan da nan ki kiran iyayenki ki haɗe musu ko da ma za ki ɗauki wayar wata ƙawar ki ce ki haɗe. to tante insha Allah zan kiyaye amma da Allah ku yi haƙuri mama kuma ku yi haƙuri. Hmm. wallahi Allah ƙawa yarinyar nan ta so ta kashe ni da sauran kwanaki na cikin wannan zamanin na sace-sacen mutane yara na ɓata ha in ba Allah ba komai ya shigo cikin kaina babu abin da ban yi tunani ba na aza koma har an kashe ta an saida ta kamar wadda tantiki laraba ta gai wallahi ki hankali ba kina nan gaji na ba in kika tsinci kanki cikin irin wannan hali ya kamata ki kira mu ki gaya muna don hankalinmu ma ya samu ya kwanta kwanakin nan babu abun da bamu gani duniya ta zama yadda ta zama mutane wallahi komai suke iya yi saboda abun duniya ha abun ga sai da mutane ana sace mutane ana sai da kayan jikinsu. Hmm. biki ma sani ba ana sace mutane a satin da ya gabata wasu maza biyu cikin motarsu suka so su gudu da wata yarinya da ƙawarta suna kan hanya za su makaranta Allah da ikonsa suka yi ihu sannan wa mutane suka nemi su cece su mazajen ga suka gudu saboda shi ne a kulli yomin in na samu ɗan lokaci ko kuma lokacin da muke cin abinci na kan jan hankalin yaran nan ha da farko in ce musu kadda. ku yarda ku amshi abin hannun namiji ko kuma na wani da ba ku sani ba kada kuma ku yarda ku tahi gidan wani sarmayi ko gidan wani abokinsa alhali shi sarmayi shi ya kamata ya zo wurin ka hira wallahi kina da gaskiya kawata abun da kika gayi haka nan ne mu iyaye ya kamata mu ƙara dubawa mu mai da hankali kwarai da gaske mu zan tuna ma yaranmu da su ringa yin hankali su san inda suke sa ƙawahunsu Dan fashi kaɗai ne mafita fa a halin yanzu na da gaskiya kawa hankali kai shine mafita Allah dai ya tsare mu ya tsare yaran mu amin walla kawa to yanzu dai kin yi kiran uban ko a dole ina da mu tare da merci à l'équipe femme du studio Kalangu pour ces lotis super instructifs. Bah, après le loti, c'est la rubrique culture linguistique. Aujourd'hui, dans notre rubrique qui sera présentée par Alamin Ouachar du Destamachek, nous en saurons plus sur le mot facilitateur. Bonjour, Alamine. Bonjour Habiba, bonjour euh, Rabi. Facilitateur se définit comme celui qui est chargé de faciliter le déroulement d'une action, euh, d'un processus. Une euh, facilitatrice de paix, par exemple, si c'est une dame, depuis l'événement du 26 juillet, les responsables religieux et musulmans du Nigeria sont venus au Niger euh, dans le cadre de faciliter les échanges entre les responsables euh, de la transition et ceux euh, de la CDAO. Donc, pour trouver une issue ou une sortie à l'actuelle crise au Niger. دات ماجق المعنى فاسين تاتيرا دم وي قامين السرغس نرات قرا ايتيدا مدي قرا رتوي قرن تاكل تيجين تاكل تيت مدي غيجين سدادين المثال في الجنة ويقال أن ترى أن تزات سرغصت الخير أدو بزن غرسنا تمروان تسريزة اللي تنشيه إي موزر أن الدينة النيجيريا وصان دو نيجان دا غس أن سرغصنا العلاقة دي نمسيس سقرا قرا أي تدوين التفنان تغمار تيموزن سوجتا اتسيدياو في لجنة نرمسالة تطهري نيجير ميرسي بيان على مين تعلم مرت ولا Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Eh, mazamni gaya matsalolin da ƙasanmu ta take fuskanta yanzu zuwa ga juyan mulkin ga da aka yi to amma ina da kira ga 'yan ƙasa a san shi dai milki allah shi ke bada shi ga wanda ya so a lokacin da ya so kuma shi zai amsa shi ga wanda ya so a lokacin da ya so ga wanda ya ba don a matsayinmu na musulmi da abin da ya same mu musan daga Allah yake kuma abin da Allah yi na kwarai ne to naga mutane na ta da shi wuya ana ta cice kuce ana ta zarge-zargen juna ana ta zage-zagen juna akan wangan lamari da na ce musan dai daga Allah ya hutu na biyu da waɗanda suka so wannan juyin mulki da waɗanda ba su so ba su san halin da muke ciki ana ta kai ba a ta hula magana Nijar ce a matsayinta na ƙasa shine kamace mu kare. Kun ga dai iyakacin abubuwan da aka shi hida muna musan da ƙasar ga tamu ce kuma ba mu da wata ƙasa sai ita. Rayuwar ƙasar ga tamu shine rayuwarmu. To saboda Allah 'yan Nijar su sa Allah guda ne shi ke yi shi ke hana a bari dan Allah. Kwata, mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. mu ta du'a'i cikin masallatai ne gida ne ko ina Allah ya hidda mu cikin wanga kangi da muke na makiya waɗanda ke son tarotse ƙasar mu wannan ki ina shi bai kamaci ba a ce akwai rabawan kanu a kan wannan Tunishiyar ce ke cikin wani halin Allah kama hannuna ita ce kamaci mu ce ta ba wai wani mulki ba ko wani eh, magabaci a'a in ana ta kai ba a ta hula mu aiki ka faɗa da ka faɗa mu faɗa ma Allah matsalolinmu zai yaye muna ƙasar musulmi muke mu sa musulunci nan da tsoron Allah gaban komi Allah ba mu lahiya da zaman lahiya da kuma abun da lahiya ke ci Nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et Habiba Ahmed. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro. La technique de cette émission était assurée par Seni Isaka et Kadija Isaka à l'édition. Excellente journée et bon début de week-end à tous. À la semaine prochaine.